from Sadio Mane! Et c'est parti pour un nouveau numéro de Team Inter. Circonstances obligent. On s'est déplacé ici Dakar Fitbox Club pour essayer de voir comment les gens allient sport et ramadan. Au sommaire de ce soir, on va parler de la Coupe CAF, la Confédération africaine de football, le Djaraf de Dakar qui s'est imposé Taï et aussi qui est premier de son groupe. Revenir sur la Super League, entre autres les 12 clubs qui ont voulu prendre en otage le football mondial parle aussi sur les championnats européens, le portrait du jour. Il a été un très grand jour du côté de la Mannschaft, actuellement président du club allemand du Bayern de Munich, Karl-Heinz Rummenigge. Et on comprend pourquoi Mbour que capital au sport travailliste parce que c'est le premier congrès continental de l'OSTA fële On va y revenir tout de suite. Ils ont presque fait carton plein. Je parle des joueurs de Cherguey, le Djaraf de Dakar, en coupe de la Confédération africaine de football. Le Djaraf de Dakar s'est imposé face à l'étoile sportive. Le résumé avec Suleiman Diagne. ginnaaw ba ñu génnee ci barage coupe de confédération africaines de football ñii di jaraaf nag di gën di dëggal seen bopp ñeel boobu les compétitions lu jëm ci jongante bi doon dox seen diggante ak étoile sportive du Sahel nag goney Cheikh Gueye daal di am ndam ci kaw club Tunisie bi kii di seen capitaine bi di wuyoo ci turu Pape Youssou Paye moo laq caax yi ci pàcc bu njëkk bi donte sax seen adversaire bi sonal na leen ci ndorteelu jongante bi waaye nag Pape Seydou Ndiaye ak défenseur jaraaf yi mayuñu leen benn yoon fu ñu yàqee seen naak ba tax na club Medina bi daal dina qualifié ci quart de finale coupe CAF bi nekk premier ci group C bi ak fukki poñ journée bu mujj bi nag daanu ko amal ñaar fukki ak ci weeru avril ak équipe bi di club sportif sfaxien nekk ci ñaareelu place bi ak juróom poñ ngir rekk ñu mën a xam kan mooy mujjee première place boobu les poules êtes pour une première le Sénégal di abrité, le congrès continental de l'OSTA nañ fa nous ñu fa Vous savez, c'est une ouverture officielle. Nous attendons la fin des travaux. Mais il faut se réjouir de cette organisation et de la tenue de ce congrès ici au Sénégal. Nous l'avons dit dans notre discours, le Sénégal est un pays de teranga et qui a l'habitude d'accueillir euh, ses rencontres internationales. Aujourd'hui, nous parlons du sport travailliste qui a besoin d'énergie et nous avons des Sénégalais qui ont travaillé avec leurs père africains et qui ont bénéficié de la confiance de nos amis africains. C'est pourquoi la tenue euh, de cette réunion ici à Dakar est extrêmement important pour l'État du Sénégal. Nous sommes venus au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, euh, manifester notre euh, gratitude, mais aussi euh, la détermination du Sénégal à accompagner tous les sports, notamment les sports travaillistes. Tout en sachant que le milieu administratif, le milieu du travail, a besoin aussi d'un levier sur lequel s'appuyer pour que la concurrence ne soit pas dénaturée et que les bonnes relations puissent prendre le dessus sur tout. Donc euh, il mérite tout et nous avons bien écouté le président euh, africain, le président du Congrès, et qui aujourd'hui de la Fédération africaine, qui nous a manifesté aussi tout le respect qu'ils ont pour notre. Le président Macky Sall l'a dit depuis 2018 quand il s'est agi d'aller euh, au niveau de, de, de, et nous avons été acclamés par le monde olympique. Et le président avait dit, le Sénégal prend ses Jeux olympiques au nom de l'Afrique. Donc, euh, étant panafricain, tout le monde sait que le, le, président Macky Sall se bat tous les jours pour l'unité africaine. C'est pourquoi nous avons invité non seulement les sports travaillistes, mais nous avons invité l'ensemble des Africains qui pourraient contribuer à accompagner le Sénégal dans cette belle organisation, parce que relever ces défis-là, c'est pour le Sénégal, mais c'est pour la. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de polémique. Mais tout le monde peut être critiqué. Ce qui est important, c'est de fixer l'objectif que le Sénégal a et apporter les corrections nécessaires pour qu'on ne se disperse pas, qu'on se concentre pour aller prendre la Coupe d'Afrique chez notre cher ami au Cameroun <laughs> et revenir au Sénégal faire plaisir à l'ensemble. Vous savez que ce n'est pas le ministre des Sports qui règle le staff technique. Euh, d'aucune fédération. D'ailleurs, on peut nommer les directeurs techniques, mais les, les entraîneurs sont des agents des différentes fédérations. Donc, euh, vous poserez la question à Augustin Senghor, il vous répondrait. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que je porte l'objectif du peuple sénégalais qui est d'aller gagner la Coupe d'Afrique. Et j'y travaille pour mobiliser les bonnes conditions de préparation et les bonnes conditions de participation de notre équipe nationale. Mes sincères félicitations aux membres sénégalais du Conseil exécutif de l'OSTA. J'ai nommé notre père, M. Ndoy vice-président de l'OSTA, et Badara Ndiaye, coordonnateur des activités sportives de l'OSPA, membre du conseil exécutif, pour les efforts et sacrifices consentis à la préparation et à la tenue avec succès de ce congrès. Je prie tous leurs collaborateurs de trouver à travers ces félicitations les marques les plus appuyées de notre estime et de notre considération. Je voudrais à la suite de cet hommage, dire merci au Comité national olympique et sportif sénégalais pour l'encadrement, pour le soutien et, n'est-ce pas, pour l'accompagnement qui est également le sien dans la mission noble que lui a confiée le mouvement olympique. Je voudrais saisir l'occasion de la présence pour rappeler que suite aux mesures restrictives Dû à la propagation de la COVID-19, euh, M. Bruno Moléa, président de la Confédération du sport international, travailliste et amateur, ce qui est un peu l'équivalent de la FIFA pour le sport du travail, pour ceux qui veulent bien comprendre, n'a pas pu effectuer le déplacement de Bourg. Toutefois, dans un message adressé au président de l'OSTA, il a tenu à féliciter toute la famille de l'OSTA pour la tenue de ce congrès et à rendre un hommage appuyé aux autorités sénégalaises et aux dirigeants de la fédération pour le soin qu'ils ont mis à les préparer. Par ma modeste personne, en honneur de participer à cette cérémonie officielle à l'occasion du congrès international de l'Organisation du sport africain, travailliste et amateur et un plaisir de m'adresser à cette assistance au nom de M. Mamoudou Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais empêché. C'est donc en son nom et au nom de toute la communauté sportive nationale que je souhaite à toutes et à tous la bienvenue au Sénégal. De saluer de cette excellente initiative du bureau exécutif de l'OSTA Réunis ici au Sénégal les dirigeants africains du sport travaillent en vue d'évaluer les actions et d'explorer les voies de la consolidation et de l'amélioration des acquis. Je demeure persuadé que la compétence et l'engagement des femmes et des hommes qui composent le bureau exécutif seront déterminants dans la définition et la mise en œuvre d'un programme d'activité conforme à la qualité de sa gouvernance. Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs, à l'heure actuelle, le sport travaille et utilisé comme vecteur d'épanouissement personnel et comme outil d'éducation et de socialisation. L'utilité de la pratique du sport à l'entreprise révèle plusieurs aspects. Le maintien de la santé des travailleurs, le renforcement de la cohésion et l'esprit d'appartenance, un moyen d'émulation des travailleurs pour un meilleur rendement, une opération de relations publiques et la promotion de l'image, et enfin l'expression de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Je suis en train de préparer lucieusement ma retraite sportive avec des jeunes qui m'encadrent, qui sont très honnêtes et qui sont très doués à la tâche, qui sont impliqués dans toutes les activités et qui se battent pour le développement du sport travail dans notre pays. J'aurais souhaité vous présenter devant chaque personne que nous vivons au Et pendant ces longues années passées avec le monde sportif, les gens ont eu la capacité, la gentillesse de nous considérer comme un côté positif. Si comme j'étais un être parfait. Mention spéciale à notre parrain permanent, le port autonome de Dakar, qui participe et nous soutient dans toutes nos activités régionales, nationales, continentales et internationales. Depuis la naissance de notre structure, qui a vu le jour le 6 décembre 1975 à son centre culturel sportif. C'est aussi l'occasion de remercier toutes les personnes qui ont répondu présentes à notre invitation et celles qui n'ont pas pu faire le déplacement et dont les prières nous accompagnent pour la réussite de la manifestation. Nous remercions aussi tous les membres de l'OSTA et particulièrement son président, qui ne ménage aucun effort pour le développement et la vulgarisation du sport travail dans tout le continent africain. Beaucoup na nous marquent marqué football Allemagne que ce soit en club voilà, avec la Mannschaft actuellement président du Bayern de Munich Karl-Heinz Rummenigge le portrait du jour avec Sadio Toukara Karl-Heinz Rummenigge, la légende vivante du football allemand. Surnommé Karl, il est considéré comme l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football allemand et l'un des meilleurs joueurs de son époque. Nommé par deux fois meilleur joueur européen en 1980 et 1981, comme ses compatriotes Franz Beckenbauer et Lothar Matthäus. Il a aussi personnifié la domination de l'Allemagne sur le football européen et mondial du début des années 1970 à la fin des années 1980. Néanmoins, à l'inverse de ses compatriotes, il n'a jamais remporté la Coupe du monde de football même s'il est par deux fois finaliste de la compétition en 1982 et 1986 les deux fois en tant que capitaine. Vainqueur du championnat d'Europe des Nations en 1980 avec l'équipe de la RFA, Romanigue fut aussi l'un des joueurs les plus emblématiques du Bayern de Munich, avec qui il a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions en 1975 et 1976. À ses débuts, Romanigue commence le football au sein du Borussia lipstag un club de sa ville qui évolue dans le championnat régional amateur de Westphalie. Sa carrière prend son envol en 1974, devenu professionnel. Karl-Heinz Romanigue se fait surtout remarquer à ses débuts pour son habileté à dribbler et particulièrement pour ses capacités de buteur. Il faut dire qu'à son arrivée, c'est surtout un certain Gerd Müller qui joue le rôle de finisseur au club. Même s'il s'impose rapidement comme titulaire au sein de la formation bavaroise, il ne joue pas la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1975 remportée par son club. Rummenigge a tout de même participé au tour précédent de la compétition alors qu'il n'a que 19 ans. 1976, il remporte sa deuxième Coupe d'Europe des clubs champions, mais disputant cette fois-ci la finale contre l'AS Saint-Étienne, remportait un but à zéro. Rappelons-nous de la Coupe du Monde 1982. La Coupe du Monde va se révéler ainsi comme l'un des plus grands moments de la carrière de Karl-Heinz Rummenigge. Très en verve, il inscrit 4 buts lors des poules de qualification. Néanmoins, l'équipe de RFA a fait ses débuts poussifs, s'inclinant d'entrée du tournoi face à une surprenante équipe d'Algérie. Mais ce sont surtout les inimitiés d'une certaine frange du public que les joueurs allemands déclenchent lors de ce tournoi, tout d'abord en étant suspects d'avoir arrangé un match nul avec leur voisin autrichien, destiné à éliminer l'Algérie et à permettre leur qualification mutuelle, qui sera nommée par de multiples journalistes comme le match de la honte. Ensuite, par le geste dangereux non sanctionné d'Harald Schumacher sur Patrick Battiston en demi-finale contre la France. En 1994, après un nouveau titre de meilleur buteur en championnat à Allemagne, en championnat allemand avec 26 réalisations. Karl-Heinz Rummenigge à 29 ans prend la direction du Calcio et de l'Inter de Milan pour un transfert record de 8,5 milliards de livres, l'équivalent aujourd'hui de 5,5 millions d'euros. Ces années milanaises sont mitigées, handicapées par des blessures, qu'Al n'arrive pas à exprimer pleinement aux côtés d'Alessandro Altobelli. Malgré des débuts encourageants, de plus, il ne glane aucun titre de ces années milanaises. Néanmoins, il reste indispensable à la Mannschaft pour le mondial 1986. L'Allemagne s'incline à nouveau en finale contre l'Argentine, une fois encore, Karl était diminué, mais il avait redonné espoir aux marquant dans les dernières minutes, mais cette fois-ci, cela ne suffira pas à empêcher le triomphe des Argentins. Il perd une deuxième finale de Coupe du Monde consécutive, la deuxième comme capitaine. Cet échec sera le dernier match de Rummenigge sous le maillot de la RFA. En 1987, de moins en moins utilisé par l'Inter de Milan, il signe à Servette FC dans le championnat suisse. Il y dispute deux saisons avant de mettre en terme à sa carrière de joueur après un dernier titre de meilleur buteur du championnat suisse avec 24 réalisations. Karl-Heinz Rummenigge prend sa retraite après 15 saisons au plus haut niveau avec 45 buts en 95 sélections avec la Mannschaft. Karl-Heinz Rummenigge, une carrière à l'allemande, un monsieur respecté et respectable de tous. Ils ont empêché de dormir le monde du football. cette Super League. Ils étaient 12, on a vu retrait certains clubs. Les supporters n'étaient pas du tout d'accord par rapport à ce que nous avons instaurer une super ligue entre 12 clubs et une ne financière. di seen manne financière lañ doon wane dem nañ ci benn jàngat toujours di ci un ak de temps. Un projet morné qui aura fait beaucoup de bruit avant de rendre l'âme, ou presque. Ils étaient à la base 15 équipes qui devaient faire partie de cette Super League, mais après quelques tergiversations et quelques sorties dramatiques sur le plan médiatique mais également sur le plan sportif, le projet de la Super League européenne a été abandonné et le président de l'UEFA, Alexander Seferin, a attaqué le projet de Super League lundi dernier après-midi après que les membres, dont le Real de Madrid et le FC Barcelone et la Juventus de Turin, comme principaux instigateurs de ce projet se sont vus déclarer au vu de tout le monde et à l'insu de tout le monde qu'aujourd'hui le football devait se limiter à 15 équipes, une histoire de bourgeoisie. 12 clubs importants dont le Real de Madrid, la Juventus de Turin, encore le Liverpool ont annoncé donc leur volonté de faire session pour créer une Super Ligue européenne et remplacer la Ligue des Champions. Aucun club français n'est impliqué. Bien entendu, le Paris Saint-Germain aurait refusé de faire partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le push des traîtres. Quelques joueurs comme le milieu du PSG, Ander et ou Metzoul Ozil ont été les premiers à exprimer leur opposition au projet. Le joueur de Manchester United Bruno Fernandes a lui défendu la Ligue des Champions, de même que Jürgen Klopp, le coach euh, allemand de Liverpool. Pep Guardiola, entre autres Benjamin Pavard, tous ont dit que ce qui se passait aujourd'hui est hors du football, c'est juste du business. Un business qui a poussé tous les supporters du monde entier à se lever comme c'est l'homme et à déclarer la fin de la récréation. Il n'y aura pas de prolongation, le match n'aura duré que quelques jours, le temps d'une rose qui aura fané au milieu du football qui reste quand même au-dessus de tout. La Ligue européenne n'a plus son sens. La preuve, les grands clubs parmi ces 12 comme Manchester United, euh, Liverpool, Tottenham, Chelsea ont tous désisté, accompagnés quelques heures après par l'Atlético de Madrid. Dorénavant, il ne reste que trois clubs, dont deux clubs espagnols et un italien, Real de Madrid, FC Barcelone et la Juventus. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la Super League a fait trembler la terre, mais le gazon du football reste même

Euh, ndogu beeg yëpp li ngay naan suukar bi bisaab bi fii donc du coup euh, li ngay consommer ci journée bi li nga je peux dire que ni li nga toogoon lépp lekkoo ko du koy bëgg a lekk donc ensuite da ngay am benn genre comment dirais-je da ngay sentir ni voilà lekk nga ba suur donc il faut nga dem saal nga voilà nga wàccee suukar beeg voilà parce que li ngay accumuler ci suukar dafay bari en fait non man du coup je trouve que ni loolu sax dafay tax voilà boo ndogo boo demee boo jógee saal da ngay gën a da ngay gën a am cawarte en fait au ngay sonn sa yaram dafay bàyyi voilà du soo waree liggéey suba boo tëddee facilement da ngay nelaw donc du coup du am problème pour teel a yeewu non man je trouve que c'est le contraire même weeru koor lañ gën a ma lañ gën a war a mën a def sport sax parce que voilà comme journée bi yëpp da yendoo tëdd yendoo toog boo ndogoo li ngay lekk dafay bari donc du coup c'est nga dem salle def activité sportive wàccee voilà suukar beeg voilà yenn xorom sék tout lépp a war a en fait loolu laa yaakaar. waaw damay wax rek ni que voilà actuellement jamono ji fiñ ñu ni sport dafa bokk si dundu doomu aadama donc kenn ku nek war nga jéem intégrer ko sa quotidien bo liggéey nga wacc nga dem def sport yagul 1 heure la maximum 1 heure 30 nga paré lolou yakul dara en fait au contraire dalay gëna gën a jox cawarte voilà. ah mais je pense que les entraînements sont impeccables. Parce que dans ce mois-ci, euh, c'est le mois plus euh, permis à perdre pas mal de, de, de masse. Il y a plus de monde parce que euh, le ramadan d'abord c'est pour les musulmans. Mais j'ai remarqué que dans ce mois-ci on a changé le programme parce qu'on on travaille maintenant de 20h30 jusqu'à 22h, ce qui permet aux frères musulmans, après avoir mangé, après avoir dîné et tout, et passer à la salle pour pouvoir perdre euh, pas mal de masse Je pense qu'il vaut mieux qu'ils commencent maintenant parce que le sport c'est la santé et plus tôt plus mieux, plus tôt ils seront, ils vont plus gagner, surtout en ce mois de Ramadan, ils vont plus gagner. En plus euh, la salle c'est une grande salle, euh, très, la salle est bien équipée, très bien équipée. Donc ça nous fera beaucoup plaisir de voir nos frères qui sont encore à la maison, à la salle. Je suis Luc, euh, le coach général de Dakar Football Club à chaque 3. Le mois de Ramadan, les gens sont plus motivés et euh, incités à garder leur masse musculaire euh, au mieux et surtout à baisser au mieux leur masse de graisse corporelle. Oui, bien sûr qu'il y a un changement parce que c'est l'occasion pour certaines qui n'ont pas pu perdre le poids durant d'autres jours avant Ramadan de perdre aussi rapidement de poids parce que je... Ah, surtout, s'il faut travailler, il faut souffrir. Il n'y a pas de gain sans souffrance. Je pense qu'on met un peu la rigueur pour le travail parce qu'on pense qu'en étant un peu rigoureux, les élèves auront le résultat un peu rapidement et, c'est visible. Les mesures barrières, euh, c'est déjà on a déjà du gel pour les mains. Bon voilà, euh, on a souvent aussi euh, le flash. voilà, pour prendre la température des gens à l'arrivée. Bon voilà et voilà. On essaie de faire pour le mieux, quoi. De le faire, parce qu'ils ont tort. Ouais, parce que la différence entre les personnes qui pratiquent euh, le sport pendant ce mois du ramadan est visible, parce qu'ils ne se fatiguent pas. Vite, en tout cas, pas, tellement, quoi. Parce qu'au moins, ils, essayent de, de, bouger au, maximum, <laughs> et de faire l'exercice physique. Par rapport aux personnes qui ne font pas le sport, bon voilà, ne font pas d'activité physique pendant ce mois, ils sont, eux, ils sont plus fatigués que ceux qui exercent une activité physique. Et c'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous euh, très prochainement. Mais ce qu'il faut retenir, il faut faire du sport. C'est très important. le mois de Ramadan. Bonne suite de programme sur la DTV.